Voilà. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Merci, merci, merci, merci, merci. Nous sommes à la FADA avec les jeunes volontaires, avec les jeunes politiciens, les, jeunes diplomates. Ça va tout le monde Vous êtes là Oui, oui sont la Maraba da zuwan ku bisa kan shirin tusa ala fada da fatan kuna lahiya. de la fada. Ina abun da ya faru wannan banna ta ambaliyar ruwa. Nos amis de Niamey, Maradi, Agadez, Dosso, toutes ces zones touchées par euh, cette catastrophe, la fada est de tout cœur avec vous. To, kun zabe ya gabato. Nan da 'yan watanni zan mu je shugaban kasa da deputoci. Les candidats se préparent pour accéder à la zone où tout se décide. To, mu dai matasa kullum wani abu ya taɓa mu sai mu ce gwamnati bai saurin yi ba ko gwamnati bai ma yi ba to yanzu siyasa ta fara hanyar da ake bi kowa ya biya shiga shi ma ya je ya nemi abin da za a yi ma in gwamnati ne za ka shiga kai ma a yi shawara da kai a ɗauki matakai da kai a ɗauki dokoki tare da mu hanyar za a buɗe ta cette jeunesse qui représente la plus forte couche de la population wani mahimmanci ne suka ba wannan zaben da za a fara nan da 'yan kwanaki kai siyasar ma da kanta Ya ne suke Quelle approche ont-ils de la politique, les jeunes Nigériens Salamatu Moussa, jeune volontaire. Salamatu Omoru, chargé des relations extérieures à l'AJDP, Association des jeunes diplomates et politologues, Issoufou Alfaga Abdulkader, également jeune volontaire, et Mohamed Zainab, jeune volontaire. Ils vont tout décortiquer à la FADA ce soir. nous nous Yane, Et comme d'habitude, nous aurons de la musique, la rubrique et la chronique qui seront au menu de ce numéro. Top, c'est parti! Selon une étude menée par Relief Web en décembre 2018, au Niger, environ 60% de la population, soit 13 millions, a moins de 18 ans. Comme depuis toujours, Moumatassa. Donc, a Moukama Azou, qu'il s'agisse de l'emploi, l'entrepreneuriat et l'immigration, les jeunes se plaignent souvent de la gestion du politique ils veulent prendre aussi des décisions et puis changer les choses c'est des jeunes d'Agadez nous avons remarqué en tant que jeunes à chaque fois la jeunesse est marginalisée instrumentalisée comme le dit un adage tout ka tura mota teta barka trop c'est trop pour qu'en réalité défendre l'intérêt de cette jeunesse contribuer aussi au développement de la commune le plus grand pourcentage c'est la jeunesse donc seule la jeunesse est outillé à adopter un développement durable. Comme disait Obama week-end. on peut. Hein? J'ai opté au poste de conseillère pour défendre les intérêts de jeunes filles et leurs droits, contribuer au développement de ma commune. J'ai remarqué que les jeunes filles comme moi se font rares au poste de conseillère et pourtant nous sommes nombreuses et à nous seules nous constituons une majorité. Mon souhait est qu'une femme soit à la tête de la commune urbaine d'Agadez et Inch'Allah, je suis optimiste à le faire. On applaudit pour elle, hein Ben voilà. tu es chargé des relations extérieures à la JDP. Entendre des jeunes aussi engagés à changer des choses et à agir pour le bien de leur communauté, ça te fait quoi euh, Je veux dire que on est quand même, euh, ça, c'est optimiste je veux dire, ça, ça prouve qu'il euh, il y a des jeunes quand même quelque part qui essaient de faire des choses pour venir changer les choses. Et notre association se place euh, dans cette euh, optique. Et voilà, je dis c'est très bien. C'est encourageant. Ouais. Elle n'est pas d'Agadez, elle est ici avec nous à la FADA. Nous avons également une jeune qui est engagée, elle est à fond dans son parti politique. Et... motivation ita mm. da ta fara kamar babu jen babu 'yan mata cikin siyasa ko a ce 'yan mata suna gudun siyasa mata ma duka-duka in ka gane su su kaɗan ne ke ke son harakokin siyasa paske mace amana gare ta in ta ba da kanta ta ba da karhinta eh, sai ta ba da kokarinta ta ba da dukiyarta kuma in ta maka prometer in za ta abu sai ta yi shi dan shi ne ni ce ni ma ni ma dan mine ne ban ba da kokarin no ban ba da aiki na ban ba komi da komi dan in zan ni ma irin matan nan dan shi ne nace ni ma za ni fara siyasa to Alfaka Abdulkader, on a entendu ces jeunes qui s'intéressent à la politique. Yanzou, à Ganenka, la politique, ça veut dire quoi au fait pour les jeunes nigériens Ok, merci. Donc, euh, selon moi, la politique, surtout avant, mhm. avant, mm moi, je voyais la politique euh, comme euh, du perte de temps. Mais aujourd'hui, je vous hmm. assure, si on veut changer les choses, on ne peut que faire la politique. Surtout nous les jeunes. On n'est plus de la majorité de la population, on est plus même. derrière. À chaque fois, on suit. On suit les, euh, les aînés, ils nous amènent là où ils veulent et on est tout le temps derrière. Donc, mon point de vue, on ne peut que faire la politique, mais faire la politique autrement. Pas faire la politique comme c'est de maintenant sont en train de le faire. On doit okay. changer les choses. Ah, j'ai un ami avec moi, Ndere Moussa Mamadou. Yaya kake ganin matasan da suke siyasa? Alors, euh, siyasa nan yanda matasa ke ta a gani na eh, kambare da yawa ne a dakwai. Mm. Tunda akwai masu yin siyasan don su koya da sohin da adakwai. kuma su yi yanda suke yi. Akwai su, akwai masu yin siyasa saboda mi dan su gyara gobansu gani suke a hanyar siyasa da mutum ya shige ta zai yin kudi nan da ne kawai shaf shaf ne nan zai yin kudi ya samu mota ya samu gidaje ya yi auren shi da saura a samu post akwai yawa akwai masu yin haka nan akwai masu shiga fi sibilillahi kuma irin su muke su su shigan su dan su kawo eh, nasu iya kamar yadda eh, alfaga ya ce mhm, mhm. dan su kawo canji eh, canji ne cikin rayuwarsu da rayuwar yan uwansu na al'umma ba don su gyara rayuwar gari rayuwarsu da rayuwar iyalinsu to irin su ne muke su irin su ne muke bukata in ba dan dan su yi hakanan ne

pour amener un changement. Personne ne l'a convaincu. Même si j'ai été approché quand même, mais je, je demeure jusqu'à, je sais pas, dans le futur. Moi aussi, ça va Oui, ça va. Et tout. Si wannan dan wannan mu ya fara zancen siyasar ta mu tanan yace shi dai har yanzu bai gani ba wani dan siyasa ki la convaincu. Ya kake a siyasar kasar ta mu? Est-ce un eh. environnement favorable da zai ba matasa daman su yi siyasa ko ko dai genre c'est mort quoi. Bon, dire que c'est un environnement favorable, c'est c'est trop osé au fait. Ah ouais. Mais quand même euh, moi je peux dire que le fait de s'en abstenir, juste parce que par exemple un parti ne... Mhm. Il n'y a pas un parti qui cadre avec ta vision, ton idéologie. Là, tu ne fais que retarder les, les choses. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si on dit que les champs politiques, c'est un champ qui est pourri, mhm, mhm. tous les partis ne concordent pas avec ton idéologie. Comment Kayenzu Kay mm. hein? Mikta Kamata Kay Duka duka 'yan siyasa ga duk guda duka diskur su guda ne gamshe ka ba mutanen kwarai bane baka da saboda haka ne baka siyasa me mm. akwai matsala kai kana da eh, responsibility sama kanka menene responsibility yau in abai lalace mm-hmm. in gida ta lalace ya ta kamata kai ka zo ka kawo maka cikin gida ka kawo maka cikin gida don ka gyara ta hiyar zaman gida. To mm-hmm. sai la même chose avec parti partis Yau an aka ce kamar 'yan siyasa ba si kai ka shiga siyasa don kawo maka cikin siyasa. Me bai yiwa an ka ce ba ka shiga cikin siyasa saboda wa'ancin basi sabidur ke kaman ka ba su wuri ne ku je ku yi ku mutanen banza ne amma ku ta ku yi mm. kenan na wurin kai kai ne ma babban mai lehi ni ga gani na to ki a ganin ki kawai un jeune na ezwa parce que tu as plein de feeling et que tu as plein de vision tu peux juste changer les choses les jeunes ont le moyen de faire de la politique a ganin ki oui, oui ils peuvent le faire parce que in kuka di ba Eh, basira basira mhm. in kuka diba yanzu abun da ma ya bata muna jonkin yanzu kudi mm. muka sa gaba jonkin yanzu kudi muka sa sai ki ko in da mun ga siyasa mu da an ce siyasa abu guda na warko da muke di mi za a bani da yawanci duka ba siyasa ce muke neman kudi ne muke sai ki ko yau ya kamata mu jeune mu tashi ga kanmu mu sake abubuwa in aka ce wani kamfani jeune mu ke gaba me in wurin zaɓe ne sai mu ga ubannan mu kakin nan mu ne ake ɗauka don sai ki fake ya kamata yau jeune mu san ciwon kanmu mu tashi mu yi shanje in les choses men voilà kan mu ci gaba da hira da muke ils sont ils aiment bien ce sujet hein les jeunes à la fada inda kun gani expression ki muskan huskan su ba ku iya gani ne tunda radio ne on va aller écouter Dondi sur sa rubrique mu ji shi kuma wannan gamin rubrique anti covid da wani artiste ne hira da shi Nigérienne Nigériens, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Le coronavirus existe. Pour l'instant, rien ne lui résiste. Protégeons-nous, stop. Corona. Stop. Corona. Vous vous rappelez certainement de l'artiste Philo La Diva. On l'a reçu sur cette rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime pendant la grande pandémie. Aujourd'hui, on reçoit une fois de plus cette grande dame, une diva, une icône, une légende vivante de la musique made in Niger pour parler une fois de plus du Covid-19. Alors l'artiste Philo La Diva va s'exprimer. Philo, je te souhaite la bienvenue sur cette rubrique. Comment tu vas Ça va Je vais très bien, Dandy. Tu es en forme Oui, comme toujours. Écoute bien. Les résultats des examens virologiques du 10 septembre 2020 se présentent comme suit. Aucun cas positif sur 168 tests réalisés à la COVID-19. Aucun décès enregistré. À ce jour, sur 18 593 personnes testées, 1178 sont déclarés positives à la COVID-19, parmi lesquelles 9 en cours de traitement, 1100 sorties guéries, 69 décès. Le virus continue toujours à circuler. Toujours. Philo la diva, on sait que tu as en tout cas beaucoup euh, apporté euh, ta contribution dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Mhm. Qu'est-ce que tu es en train de faire Dis-moi, comment est-ce que tu continues ce combat bah, Puisque le virus circule hein, toujours. Le virus circule toujours, comme tu l'as dit, on vient encore de de, confirmer. Ce qui veut dire qu'il faut toujours respecter les gestes barrières. Bien sûr. Continuer toujours euh, à suivre ce qu'on nous dit bien sûr. afin de nous protéger, protéger aussi nos proches. parce que c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour notre propre bien. Donc, euh, je continue toujours la lutte en attirant l'attention de mes frères et sœurs, en sensibilisant autour de moi pour que nous puissions quand même lutter ensemble contre cette pandémie-là. On sait qu'on a baissé la garde aussi. À chaque fois que je reçois un artiste ou une artiste sur cette émission, j'essaie donc de parler de cela. Hmm. Aujourd'hui, on retrouve toujours euh, la jeunesse ou les jeunes dans les phares et, autour du thé, comme, euh, n'est-ce pas, et mon ami l'avait souligné, euh, l'as parolier récemment sur cette rubrique. Alors, quel serait ton mot à l'égard, bien évidemment, ou à l'endroit de ces jeunes qui sont autour du thé, qui prennent toujours euh, le thé ensemble et qui continuent toujours aussi, euh, n'est-ce pas, euh, dans les mêmes pratiques. Bon, ah, Parce qu'ils pensent que c'est fini, sur fait. Ah ouais, non. <laughs> à ces jeunes qui vont toujours à la fada et tout, je leur dis toujours de respecter les gestes barrières. Mhm. C'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de vous partager les mêmes verres, mhm. quand ça fait le tour là, que chacun apporte quand il sait qu'il est en train d'aller un fada. Pardon. Prends ton verre et va avec. quand tu finis, tu laves et tu pars avec. C'est pour ta propre sécurité. Voilà. Ah oui. Parce qu'il faut se protéger. Quand toi, tu prends le virus, tu amènes chez toi. Tu mets tout le monde en danger, mon ami. C'est dangereux. Donc, sincèrement, ce n'est pas du jeu. Respectez toujours les gestes barrières amis. On se croit invincible. Ok, d'accord. On pense que eh ben, on est aussi immortel. Cette jeunesse, hein. on va donc s'adresser au philo, va euh, donc placer un mot à l'endroit, un mot de fin, l'éternel mot de fin, ce qui concerne le numéro. Philo, je veux un message très fort. Je voudrais que tu t'adresses à tous qui kiffent cette émission un peu partout au Niger, à commencer par la région d'Agadez, Difa, mhm. Dosso, Tawa, Tilaberi, Niamey, Zender, Torodi, Saï tout le Niger qui kiffe cette rubrique Philo la Diva. Je veux un mot, je veux une expression, je veux euh, en tout cas quelque chose qui vient de tes entrailles. Philo. À l'endroit de toute la jeunesse nigérienne, c'est deux mains qui se lavent et non une seule main. Restons forts, la lutte continue. En ensemble. Restons forts, la lutte continue et nous allons d'une manière ou d'une autre vaincre le coronavirus la Covid-19, philo. On ne finira pas cette rubrique sans avoir euh, quelque chose de toi. Tu sais que à chaque fois que quand tu chantes, tu me donnes, moi, la chair de poule. Tu me donnes envie de vivre. Alors je voudrais en tout cas que tu fasses plaisir à toute cette jeunesse qui kiffe cette émission, tous qui sont fans de Filet Larduva par cette voix, cette voix sensuelle, cette voix qui tue, qui tue, qui tue. <laughs> Tuyons sur l'émission. Jamais découragé, me cite en Jamais découragé, badangana. la vie est comme un jeu, du pire on peut passer au mieux, donc faut jamais décourager. Ah jamais découragé. Vous avez certainement constaté qu'on ne va jamais se décourager. On va continuer, bien évidemment, on se bat parce que les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés. Eh, même si le virus ou la, la Covid a secoué le monde, on tombe, on se relève comme un enfant qui apprend à marcher jusqu'à la destination. Donc les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais c'est ceux qui ont su se relever après la chute. Alors on tombe, on se relève jusqu'à destination. Wakanda forever. dawo fada yau hirar siyasa muke da mu da matasan fada wanda muka gayyato siyasa ta fara yanzu zaɓe ne za a yi nan da 'yan kwanaki aujourd'hui à la fada il est question du rôle des jeunes dans le processus électoral précisément la politique vue par les jeunes nigériens muna na appareil de sport inda jeunes volontaires suka tattaru suna suna tattara duka wani taimako tattara taimakon da za a kai na salamatu musa Nous sommes avec Salamatu Omarou, elle est de l'AJDP, l'association des jeunes diplomates et politologues. Nous sommes avec Issoufou Alfaga Abdulkader, il est également jeune volontaire. Nous sommes avec Mahaman Zainabou, elle est également jeune volontaire. N'oubliez pas le numéro sur lequel vous pouvez réagir. Hein. On parle de tout, voyez, sur la FARA. La FARA n'a pas de limite. 80 06 88 à 54. Les jeunes qui réagissent souvent sur les réseaux sociaux, sur presque toutes les thématiques. Ça, c'est le cas des inondations. de ke tadama des umma hankali cikin jihohi da inondations. nan kasar tamu to amma me yasa pour ma part euh, je, dirais que les jeunes ont juste peur peur d'affronter la réalité on veut, on veut vraiment pas réagir. On est là juste à critiquer. On est bon à critiquer, à dire celui-ci a fait celui, euh, a fait ça. Alors que moi, j'ai les moyens de changer. Euh, aussi, je sais pas, les, jeunes, on est juste là en train de. On est suiveurs au fait, on ne veut pas changer les choses. On est là, on a vu tel, tel politicien a fait ce taxe. Au lieu de dénoncer par les actes en disant non, on est là, non, à dire non, lui, il n'a pas bien fait, il n'a pas bien fait. Mais il n'a pas bien fait comment Si aujourd'hui, moi, je ne sors pas, je dis lui, il n'a pas bien fait. J'apporte les, on dit, les raisons qu'il n'a pas bien fait pour qu'il comprenne lui-même qu'il n'a pas bien fait et qu'on puisse passer. Parce que je me dis que. Euh, c'est quand on nous dit que ça va pas qu'on essaie d'arranger le, vraiment l'erreur. Ouais, ouais. Top. Ina son gaya ina in gaya muku shugabannin mu suna da lahi mu ma mu da matasa. Hmm. Eh, wata rana bai kai ma shugabannin mu su zo su kama muna mu ma wani abu amma ko muna son mu yi wasu abubuwa sun yi ƙarhin mu eh, mu doki misali wanga abunde da yi wajen bayarwa mun yi mun yi mun yi muke yi amma wasu abubuwa sun yi ƙarin mu to yanzu wannan abu sai dai mu duka mu tashi mu shiga cikin politik dole ne wannan to yanzu ai a cikin mu nan jona akwai wasu parti politique na kansu ma suke da Kan ne il de la mobilisation autour de des jeunes hein, qui ont juste genre même âge hein, que nous le même âge que nous et tout et tout mais qui se sont lancés et tout kan ne tudu la mobilisation muna kama musu ko muna approachan su mu gani abinda muke yarba musu yanzu gare ki Zainabu ni na harko sai in ce abin da ke sa mu kankan mu matasa wani bi ba mu kishin kanunmu mm. paske in akwai jan da yayi angaje an politik ko kuma yana son wani abu deputation ko wani mayor ole mm. que la jeunesse se réunisse pour le soutenir sai kaga sun tai wajen wani tsohi ou bien ils vont tout faire pour le décourager abin da kuma ke hana ma jeunesse ta ji karhi wata ran kuɗi ne kuɗi in baka da su wannan da za kana ka aje candidature kinka mm. garin su wata ran shine zai finansan kaka zai yi kai finansan wani wani kai kana so mm, abin da kuma ke hana ma jenes ta tayi kamar zancen turun mota ne ka tura mota ta tashi in an zo wurin nomination sai su ce kawai jenes ils sont pas mature pour occuper une certaine responsabilité donc ils sont pas aptes à bien gérer l'administration eh, eh, bayanin na ce so in kara shine akwai severa yanzu matasa sun fara daukan hankali da mu ya kamata mu canza harakoci to cikin wannan maganganun da muke gai da mu ya kamata mu matasa mu canza harkoci a kowanda cikin shi ma ne za su ehm, turamfan mu me a ce cewa a cikin shi ne za su yaudaran mu hmm. sai mutum ya zo ban san wane ne ba sai mutum ya zo ya ce ashi dan saboda matasa ya eh. bude farti ko da saboda matasa Ya ce takama saboda matasa ya ce kaza ya ce kasa dan matasa su ji su bi shi ashe ashe ashe ba haka nan ne ba ce ya kamata in ja hankalin mutane mu yi hankali mu yi hankali mutum saboda proje social in shi da vision in shi kamata mu yi votan shi kamar yadda eh, abocina ya gaye shi da zu mm. ba dan mutum yana jeune muna jeune ya kamata mu mishi goyon baya a'a c'est vrai dan yana jeune in in mun mishi goyon baya ya kai sama alhamdulillah amma wanda za mu kama ma matasa ne kuma ya kamata a ce mutum ne wanda yake jin ma kasa ciwo kun mutum ne wanda yake sa a yayi aiki akwai karin bayanin zaka bada ke to madalla karin bayanin nake so ga mun sunanka madalla sunana Usman Gulu Abdullahi aha Abdullahi ina jinka to madalla karin bayanin nake so yi buskan intervention inda dan dare yayi mm. matsalan mu Jonas Zancha da suke tsoron shiga siyasa parce in baka da hali baka iya yin siyasa sannan abu na farko ne da ya kamata ka ɗauka na biyu kuma menene matsalar john suna tsoro suna ganin kamar waɗanda ke da kawai gaba su ilfoka su zo su bi bayan kuma babban matsalar ita ce fara sentiment ke da kawai kawai wanga yana birge ka ko wani dan wani ne wanga baba na nan yake wanga eh. nan yake shi zan je in kama ma ya samu ya ci gaba ko ya kai ga wani matsayi ta wannan bai da kyau babban abin ne kamata mu sa gaba ya kamata mu program in kowa mu ɗoka mu karanta su kuma idan sun yi program su a yadda kowa zai samu accessibility gare shi kowa zai kai gare shi mm, ya karanta ya san suka mi program un mm. su Là, on va aller un peu se détendre à la fada parce que ça commence à chauffer un peu là. Les esprits se chauffent, la politique et tout et tout. Vous le savez bien, il n'y a pas de fada sans musique. Quand on ferme les yeux et imagine-toi de Blacko et Soprano. On se retrouve juste après. tes yeux imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont un où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant deux mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mis sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui te juge coupable. Imagine-toi en Fermé comme Natacha Campouche ou brûlé comme Mamagalé-Dou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais Imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud et lourd, cette étendue désertique, ce maigre troupeau de chair et ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. Ces trente bornes à faire, ces voleurs de bétail et leur calage qui tirent sans réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes huit ans et tes pieds sans chaussures. Imagine Paris et son périphérique, quelque part sous un pont, pas loin du trafic. Imagine-toi sous un duvet sale, luttant contre le froid, luttant contre la dalle. Maintenant imagine-toi dans ta voiture bloquée dans les embouteillages. L'homme sent lentement de sa couverture, l'homme à ton visage. Dis-moi ce que tu ressens, le regardes-tu autrement Avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. sait bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, tu verras quand ta vie est Car, imagine-toi sans la musique. La santé abîmée par les 3-8, les allers-retours aux ascétiques. Saïd, imagine-toi sans cette réussite, en galère juste le SMIC, prisonnier de cette tour de briques. Imagine-toi sans sniper, moi sans psychiatre, c'est pour moment que d'autres ne connaissent pas nous visons tous, ça c'est pour ça. Remercions Dieu pour tout ici, aujourd'hui à la Fada, on parle politique, on parle du rôle des jeunes dans le processus électoral, on parle de la politique vue par les jeunes nigériens. et les jeunes volontaires Nous sommes avec Mahaman Zainabou, également jeune volontaire. Nous sommes avec Salamot Oumarou, elle est de l'AJDP, l'Association des jeunes diplomates et politologues du Niger. Nous sommes avec Mossi Dandare, Abdoulaye Bon, ils sont tous là, quoi. Ils sont hyper engagés, ils sont hyper motivés. Ils ont plein de choses à dire. Mais selon vous, qu'est-ce qui bloque l'élan des jeunes qui souhaitent se lancer dans cette aventure et agir pour leur communauté C'est eh, seulement. Mhm. Eh, eh, processus de développement na Niger mm le manque de confiance en soi. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand il manque de confiance en soi, qui ma belle. Euh, moi, je dirais c'est la peur. Salmou la peur. Alors qu'on ne devrait pas avoir peur. On doit foncer. Fonçons, c'est tout. Ils ont osé, pourquoi pas nous Il est temps de changer tout. Il est vraiment temps de changer ce processus dans lequel on est. C'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours, c'est toujours un moment, puis il faut se dire stop. L'honneur J'irai en une phrase, mm. c'est une inconscience de notre devoir et de notre pouvoir. De, nos potentialités, comme il a dit. Moi, je dirais plutôt que la jeunesse a, un manque de persévérance. la jeunesse nigérienne veut tout de suite et maintenant. Le beurre, l'argent du beurre, le paradis sans mourir. Oui, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent être riches tout de suite et maintenant. Attends, ma belle. Oui. Euh, à mon avis, ce que je vais ajouter, je vais dans, dans le même sens que la précédente, c'est ah. par rapport à la persévérance et aussi à la compétence. Genre, on voit qu'il y a des jeunes qui essaient de se mettre en politique sans avoir vraiment les compétences nécessaires La formation politique. Exactement. C'est pourquoi au premier obstacle, ils s'arrêtent ou bien ils sont écrasés tout de suite parce que justement, ils n'ont pas l'expérience nécessaire et la formation nécessaire pour. Donc, je pense qu'on ne doit pas trop se presser. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps, mais on ne doit pas trop se presser. On doit prendre le temps de, de, s'informer, de s'éduquer aussi, de, de, prendre de l'expérience. de bien connaître les choses. Oui, oui. Tout. Moi aussi, rapidement. Bon, moi, j'allais dire, c'est surtout le conflit générationnel. C'est surtout ça, qui hein. bloque la jeunesse actuellement parce que c'est vrai, la jeunesse est actuellement intelligente, la jeunesse est combattante, elle est aussi motivée, mais c'est surtout le fait de lui donner sa chance mais c'est ça qui bloque qui cause problème ah je suis ni c'est le moment d'apprendre en tout cas pour mieux sa pierre pierre à l'édifice. Merci bien, ah, merci tout le monde, que de mots positifs. Avant de dire bye bye à nos jeunes leaders de demain et d'aujourd'hui, on, Oli. On, reçoit un leader d'aujourd'hui. <laughs> on applaudit pour notre chroniqueur. C'est le chroniqueur de la FADA. Ça va, Oli Ça va, ravi. Comment vas-tu Je vais super bien. Alors, ce soir, on parle de quoi Eh bien, entre euh, Je suis Harubanda et Je suis à Harubanda, la différence, elle est assez grande. Et c'est de cette différence que nous allons parler ce soir dans la cour. Ça, c'est hyper important. Il ah faut bah décortiquer les choses. Je t'écoute, Bonsoir à tous. Entre je suis Harobanda et je suis à Harobanda, la différence, elle est grande. Les récentes inondations dans les autres régions du Niger et la ville de Niamey ont suscité des vagues de réactions sur les réseaux sociaux. Le quartier Harobanda, qui veut dire tout simplement derrière le feu ou la rive droite, est devenu aujourd'hui le symbole de toutes les localités du Niger qui sont sous les eaux de pluie. Parmi les phrases les plus publiées par les internautes, nous pouvons lire ou entendre Je suis Harobanda en référence à ce quartier inondé de la capitale. Au-delà de cette compassion virtuelle, les bonnes volontés viennent en aide aux populations sinistrées en leur apportant de l'eau et des produits de première nécessité. Et oui, sur les réseaux sociaux, les internautes publient Je suis Harobanda, photo à l'appui. En quoi le partage des vidéos, des images des populations traînant leurs affaires dans l'eau pourrait aider à résoudre par exemple le manque d'eau potable, le problème de logement auquel sont confrontées les populations. Je vous laisse répondre à ces interrogations. Et de l'autre côté, il y en a qui vraiment sont à Harobanda. Ceux-là, ce sont des jeunes volontaires qui sont aux côtés des populations. Pour euh, eux, les smartphones ont déjà fait leur preuve en ces moments difficiles. Les volontaires, quant à eux, mobilisent euh, leurs amis et proches afin d'offrir des vivres aux populations. Une équipe du studio Kalangu est allée à leur rencontre. On les écoute. Donc on est venu les aider pour enlever leurs effets qui sont dans l'eau pour les faire sortir de dehors. Nous sommes divisés en deux équipes. Il y a ceux qui rentrent pour prendre les effets dans les maisons, les amener au bord du fleuve. Et les autres équipes montent les effets, soit dans les classes ou bien les mettre dans les voitures qui vont les amener à l'extérieur du quartier. Tout le monde ne peut pas être à Harobanda ou à Saga pour aider les sinistrés. Chacun de nous a sa façon d'aider. Il y en a qui donnent de leur temps, ou ceux qui partagent ce qu'ils ont, ou encore qui mobilisent des ressources. Il y en a qui prient aussi. C'est dans tout cet élan qu'est la solidarité, a dit Islaman, un activiste nigérien. Eh bien, je vais clore cette chronique euh, en disant tout simplement que la solidarité rituelle dans les moments difficiles, c'est bien. Mais la solidarité sur le terrain, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On applaudit à Oli, comme Oli l'a dit. Allez sur le terrain, allez aux côtés des sinistrés, c'est encore mieux. Ben, c'est la fin de tout ça, la FADA. Nous étions avec les jeunes volontaires, nous étions avec les jeunes diplomates, nous étions avec les jeunes politiciens. Là va suivre la FADA en français. Germain, avec Dondi, lui, il va parler de l'engagement des jeunes. Voilà, et comme l'a dit nos jeunes de la FADA de ce soir, on peut pas tout avoir. On peut pas manger l'omelette sans casser les œufs, sans, sans les cuire. Kama an ce, se an salama suka ce a tashi, a tahi. Mu ma matasa muna iyawa, mu tashi mu shiga mu ma mu mu siyasa, mu inda za a dokan dokoki da mu, inda za a un matakai mu ma, mu sa bakin mu, mu sa hannun mu, ai komi da komi tare da mu. To, sai mun ƙara haduwa cikin shirin tusa alafada, to à huta lahiya. Sai mun ƙara haduwa sai tusa alafada. Merci, merci à Merci, merci, merci. Bye bye. Bye bye.